c'est vrai que nombre de pléthoriques ne Berina na ay candidats wante am candidat à candidat te ce qui fait la différence d'abord c'est l'offre te nit ñi war nañu yeewu maintenant ci di xool programme nit yi di étudier lan lañ leen di offrir te ñu bàyyi di daw ci xaalis bi leen distribuer ce qui est dommage au Sénégal c'est de plus en plus nous ngi des fonctionnaires milliardaires il faut le décrier n'est pas normal que dans un pays pauvre comme le Sénégal nous wax le fonctionnaire milliardaire multimilliardaire le milliard se définit comme suit Quand on tous les mois fait collecter 2 millions sur 35 pour mu milliard voyez ce que ça fait quand on vous dit que quelqu'un est multimilliardaire dans ce pays je crois qu'il est disqualifié mais nous ñaan nit candidature yi l'élément différenciant dans l'offre non non non non non non non opposition c'est par rapport à un pouvoir nous on vient offrir quelque chose de totalement différent li moi que le Sénégalais comprenne que l'ennemi commun c'est pas ñun ci ah, adversité là, mais ñun war nañu clivage droite gauche et centre ce sont des idéologies importées qui ne sont pas adaptées au Sénégal ce que nous voulons c'est offrir une majorité républicaine. Tous ceux qui se sentent républicains et qui savent que le problème majeur de la, euh, du Sénégal, c'est la mainmise de l'étranger, de la France sur notre économie. Et ça, ça fait appel aux gens de droite, de gauche et du centre. Lolo moi la nouvelle offre politique, faut que les Sénégalais nous joindre à une coloration politique. L'Union Tango-Tango, Boussaki bu sàcc on enterre la hache de guerre entre frères et on s'occupe du voleur pendant que nous sommes en ko ngaayoo français yi ñu ngi ci suñu ressource di ko intervenir on se tient on se serre les coudes et nous nous leen Nous ñu nous ñu en suñu xiiroo gi effectivement j'ai un candidat euh, de force nouvelle il s'appelle Alpha Cham je crois qu'on est bien parti pour les parrainages di ñaan rek képp koo animé nga par un esprit républicain nga xam que Sénégal moo le soxal moo le moo la yëngal moo la soxal nga xool ce candidat là et je crois que Bolen leen son programme di ngeen gis lu différent te euh, bëri na ci yoo xamante ne dina wàññi dundin bu cher bi ci c'est révolutionnaire parce que li ñuy jooy li ci ëpp au Sénégal, c'est le manque d'industrialisation. Un pays pauvre comme le Sénégal, nous nous développer sans son agriculture, sans son industrie. Nous, de manière très révolutionnaire, nous prenons l'industrie nucléaire. Vous le savez très bien, mais le Sénégal est riche en uranium surtout uranium bi gëna a baax boo xamante c'est pas radioactif kenn waru ñu té waru ñu top tubaab yi ñu ñuy wax lu baax ci ñom te baaxul ci ñun fofu la invité les sénégalais nañu gëna gëstu les candidats bari nañu mais il y a des différences entre les candidatures